Euh, c'est une cérémonie de remise euh, de dons aux associations de Yara. Nous sommes des yaraaxwaa yu sommes Yara, ak ñu sommes bitim Nous euh, solidarité envers cette école est une école élémentaire qui nga une commune Nous les notables les délégués de quartier les imams les acteurs culturels et également les relais communautaires les agents de développement communautaire, les acteurs de l'école, directeurs, euh, présidents des parents d'élèves, les imams. donc en fait pour nous, TV cérémonie la commune également nous, na représentants voilà donc une forte délégation de quatre personnes voilà donc euh, vraiment nous def un don euh, l'événement tout l'événement euh, nous a coûté au moins 900 000 francs francs avons fait un don jënd ay papiers et aussi dañ discuter les directeurs d'école les acteurs nous orienté vers ça ils nous ont dit qu'ils ont des imprimantes il nous faut les aider en rames de papier donc nous avons acheté 32 rames de papier et 24 cartouches donc distribué ko les 8 écoles élémentaires et donc des cérémonie bu baax ko tamit ak ñaari association phare muy Warwi ak AGPH euh, donc ñu leen di remercier au passage di remercier également le président de Anne Solidarité Internationale nga xamanteni également Domo Yarah la bu nek bitim rew mu ñoon représenter tous les Yarahwa de la diaspora Domo Yarah est une euh, entreprise sociale fraternelle un incubateur de Yarahwa qui aide Yarah Domo Yarah association la bo xamanteni ay Domo Yarah yu fi juddo yaroo fi magge fi jàngee fi tekkee fi wëlbatiku di delu ci di jariñ sen dëkk ñaan yàlla dund fi dee fi ñu suul leen fi doomu yaraax mooy association bi nga xamante ni c'est des yaraax waa pire chose yu bëgg seen dëkk bëgg seen gox juddu boole leen xam-xam boole leen mais ñu bëgg nag xam ne yaraax moo leen lebaloon ay yar ak i teggin war nañu delloo naar bi xoromam ñu comp ci tuut leen yàlla jox pour delloowaat ko seen askan ndax loolu mooy li war a nekk nag nous avons ce qu'on appelle un plan stratégique quinquennal de développement le plan là c'est une programmation quinquennale qui dure at yi dañu ne bëgg et ça s'articule sur quatre grands axes l'éducation et la formation la santé et l'action sociale euh, l'environnement et le cadre de vie avec le développement du capital humain bind nañu TDR ba et l'idée, après cette cérémonie là nous allons en cette phase des questionnaires aux populations nous, nous, tey ñun

et c'est un laboratoire de pensée et d'action, une synergie d'action et de pensée, mais qui œuvre en fait dans la science et qui est dans la participation responsable et dans l'inclusion responsable. Nous sommes tous bépp doomu yara foo na nga fàtte sa nous ak sa dayoo doomu yara yi tàllal pour ngeen ñëw une synergie nous sommes une association apolitique à but non lucratif mais nous avons un engagement social citoyen les doomu se veulent des altruistes ratés à la place des égoïstes qui ont réussi et là nous sommes pour doomu yara yëpp delloo njukkal yaraax daal moo ñu tax a jóg képp kuy doomu yaraax war ngaa ñëw pour siggilaat sa gox ndax nag yaraax fii nga amee lépp yaraax moo teeroon suñu ay baay ñu jur ñu fi yar ñu fi diine ak ngor jàngal ñu xar baax yi dugal ñu école bu ñu amee tuuti nag dafay yoon tey ji ñu def des œuvres de bienfaisance pour notre communauté voilà ce que nous demandons à tous les Yarakhois góor jigéen mag ak ndaw année yi ñu jëm war nañu am ay député yu bëri war nañu am ay maire yu bëri war nañu am ay Euh, euh, euh, ministre également des responsables à tous les niveaux de responsabilité de ce pays-là même un président de la République Donc il y a œuvre dans ça nous voulons que l'éveil des consciences soit une réalité dans notre localité et je vous je vous remercie encore fois de nous avoir tendu le micro c'est un message très fort c'est un message sincère que nous lançons envers toutes les populations d'Aira. Yaraax toute la commune de anne et nous remercions au passage donc les autorités municipal et tous les gens qui œuvrent dans le développement